Bonjour, Youssouf Dabo, sélectionneur euh, des U20 du Sénégal, entraîneur de Tengue FC. Alors, pourquoi Sadio Mané Ballon d'Or Parce que tout simplement, il a été phénoménal la saison dernière, tant en club euh, qu'en sélection. Même si avec la sélection, il ne gagne pas la canne, mais il réussit quand même euh, à jouer une finale continentale avec voilà un bon parcours, en étant un élément déterminant dans le parcours des Lions du Sénégal. Il a été aussi un élément très très très très déterminant avec euh, son club Liverpool qui gagne euh, la Champions League. Il finit euh, meilleur buteur, bien sûr ex avec deux autres. Et c'est un garçon qui qui a marqué beaucoup de buts, une trentaine, sans pour autant exploiter les balles arrêtées, ce que font les autres. Donc si on enlève les balles arrêtées qu'ont marqué les autres, Sadio est largement, largement devant eux au niveau des réalisations parce que le ballon d'or, l'essence du ballon d'or, c'est de récompenser quand même le joueur euh, qui a été vraiment déterminant euh, durant la saison avec son club et sa sélection. Et Sadio est largement devant, devant les autres. On me dira que Messi a marqué des buts ou, il a été performant. Il n'a pas joué une finale continentale dans la confrontation directe entre Liverpool et Barcelone. Ah, Sadio sort vainqueur, donc euh, <laughs> tout ça fait que voilà, on doit récompenser par rapport à la saison qui est. Sadio Mané Ballon d'Or la ñu wax ñun Sadio Mané la ñu wax Ballon d'Or xam nga lu ma ne Sadio Mané Ballon d'Or yow déglul ñu ne moom mooy finaliste CAN Coupe d'Afrique bi nga xam ne moo mujj Sadio Mané mooy meilleur buteur li nga xam ne mooy championnat Angleterre ba pare di vice champion Angleterre ba pare jël Ligue des champions ba pare ñu gis comportement Sadio Mané ak bi yu important yi nga xam ne moom la Sadio Mané dugal yéen France football ngeen ne ca eh, bu leen ñu tooñ de Sadio Mané il mérite le ballon d'or plus que tout le monde nag moo.